bienvenue à tous à la FADA, notre émission débat dédiée à la jeunesse nigérienne. Ce dimanche, tous à la FADA a pour thème à l'ère des nouvelles technologies, quelle place occupe la radio dans la vie des jeunes au Niger. Selon un article sur le site de l'UNESCO, la journée a été proclamée en 2011 par les États membres de l'organisation, puis adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012. Depuis le 13 février est devenue la journée mondiale de la radio. Au niveau mondial, la radio reste le média le plus accessible et consommée. Selon cette organisation des Nations Unies, elle reste la source d'information la plus populaire. Avec euh, l'avènement du numérique, nombreux sont les jeunes Nigériens qui s'intéressent de moins en moins plutôt à la radio au profit des réseaux sociaux qui font partie aujourd'hui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Selon une étude commandée par la Fondation Urandel Studio Kalangu et menée par euh, Kantar en 2020, au Niger, sur un échantillon de 1100 personnes, 46% Écoute, les programmes radiophoniques avec un poste radio et 16% avec téléphone mobile. L'étude s'est portée sur la ville de Niamey, Birnikoni et Filengue. Au cœur de cette émission, nous allons voir la place qu'occupe la radio chez les jeunes. Est-ce que les jeunes s'intéressent vraiment à la radio Si oui, comment écoutent-ils et à quelle fin Quel est l'impact des programmes radio sur leur quotidien Avec nos invités, nous tenterons de trouver des réponses de toutes ces interrogations. Je laisse mes invités se présenter je commence à, ma gauche. Bonjour, euh, je me nomme Sidiki Iziedjara, journaliste au groupe de presse Canal 3 Niger. Je me présente Mokhtar Doulay, journaliste à la radio ZNS FM Goudel. Bonjour, je me présente Touré Boubacar, je suis le président de l'association des jeunes leaders africains, le YALI RLC. À côté de Touré. Bonjour, moi c'est Isaac Moussi, je suis le président de l'association des jeunes diplomates et politologues. Moi c'est Hamid Isaac Issiakou, je suis étudiant à l'IFTIC, deuxième année niveau supérieur. Et enfin, nous avons. Bonjour, je réponds au nom d'Abdrachil Soumaïla, directeur général de l'entreprise écologique Azid. Alors, bienvenue à vous tous, chers invités sur notre FADA. D'aujourd'hui, je suis Samira Rafi pour la présentation de cette émission. Nous attendons donc vos avis, commentaires et témoignages sur le 80 06 88 54. C'est parti alors pour 35 minutes d'échange. Comme vous le savez tous à la FADA, c'est une chronique, c'est une rubrique, c'est des questions d'auditeurs. C'est aussi souvent un vox pop pour recueillir l'avis de nos auditeurs à travers tout le Niger. Aujourd'hui, nous sommes installés à l'enceinte du studio Kalangu pour ce tous à la fada de ce dimanche. J'annonce tantôt notre thématique intitulée à l'ère des nouvelles technologies, quelle place occupe la radio dans la vie des jeunes au Niger. On commence avec notre première question. Parmi vous, chers invités, euh, qui écoute vraiment la radio? Je commence par toi. Euh, merci beaucoup euh, de poser la question. Euh, bien que je suis journaliste, je vais dire que dans mon métier, je suis quotidiennement présent sur dans un média où il y a la télé, et la radio. Donc, je suis de temps en temps amené à présenter le journal. Je dirais que je l'écoute, mais pas fréquemment, parce que compte tenu de mon travail de journaliste, vous savez qu'il n'est pas facile. On est journaliste, on est tout le temps à la recherche de l'information, et cette information, on va la recueillir. Euh, la rédiger la diffuser pour les, populations, pour les auditeurs ou les téléspectateurs, ça dépend aussi. Si c'est la presse écrite aussi, qu'on leur donne aussi cette information. Donc je dirais que j'écoute fréquemment la, radio, de temps en temps euh, quelques radios de la place locale et puis euh, d'autres à l'international. Et à vous, vous êtes aussi journaliste. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'écouter la radio Surtout vos productions Oui, on arrive des fois à, à écouter la radio de temps en temps, mais c'est pas du tout facile pour nous les journalistes parce que toujours nous, les journalistes, on est à la recherche de l'information, le traitement de l'information et à la diffusion de l'information. Donc euh, c'est ça qui nous amène des fois de ne pas suivre les autres radios comme il faut. Merci. Et vous, Monsieur Touré, je sais que vous êtes jeune activiste, euh, vous êtes aussi dans la politique, mais je suis sûr que la radio euh, vous intéresse surtout le plus. Est-ce que Arango à

quand même, on a un lien affectif avec, euh, avec la radio. D'ailleurs, les anthropologues disent que ça va plus loin que ça, c'est même prénatal, que la radio est quand même le premier euh, moyen de communication euh, à travers le son, qui n'est pas corrompu par l'image, parce que quand vous entendez le son, ça, ça, ça, attaque directement votre cerveau, vous intégrez cela. donc vraiment, la radio, c'est l'outil de tous les jours que nous nous côtoyons pour apprendre, pour euh, s'informer, pour se cultiver. Donc euh, la radio fait vraiment partie de, de, la vie de tous les jours. Merci. Au lieu de vous poser la même question, je vais plutôt vous demander fond fobono aganga radio hangan agan téléphone bon wolmo radio ade kan borek be ingna samwa mahangan bon ayo téléphone au bonno iga hangan des fois on me donne une émission ratée il faut internet télécharger ayma hangan babi j'étais un peu occupé ay mon hangana temps quand ay bonne fou internet na émission ay télécharger ni hangana après puis ni hmm, merci vraiment sinon émission est boregi hangana à travers radio tout comme sur les réseaux sociaux les gens essayent de voir les publications que font les différents médias principalement Studio Kalangu qui a une page bien sûr qu'ils à travers lesquelles nous avons eu la chance bien sûr d'être l'invité de la FADA. Alors Touré, est-ce que vous pensez que la radio, elle est utile pour vous elle est utile pour moi, elle est utile pour, pour nous tous. Elle est utile d'autant plus que je la consomme régulièrement. Euh, j'entends le débat entre euh, le numérique qui veut faire disparaître la radio. Moi, je suis plus euh, de ceux qui pensent qu'il y a l'espace à chacun son espace. Tout à l'heure, Moussi a dit qu'en écoutant la radio, il est plus euh, comparé à, la vieille classe. Moi, c'est avec bonheur que j'observe que je suis, et je le dis tout le temps, je suis parmi la dernière génération analogique. Euh, celle qui a vécu quand même les, les, Walkman, tout ça là. On a été la dernière génération de cela. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas le bonheur d'avoir connu ça. Donc voilà pourquoi aujourd'hui le téléphone est le premier allié de nous tous. Il y a cette option d'avoir la radio là-dedans, donc on est plus enclin à utiliser euh, le téléphone pour écouter la radio. Alors euh, vous, vous êtes de Canal 3 et on sait tous qu'aujourd'hui que les jeunes sont plutôt intéressés à passer leur journée et où un téléphone est bon. Euh, donc, est-ce que vous, vous pensez que vous proposez quelque chose qui intéresse vraiment la jeunesse d'aujourd'hui Comme M. Troué vient de le dire, c'est un média qui est accessible à presque tout le monde. Hein. Bon, du moment que nous, à Canal 3, nous avons une radio, nous essayons de, du mieux que possible d'essayer euh, d'informer, de sensibiliser les populations avec certaines euh, émissions ou à travers nos éditions d'information. Euh, comme ils l'ont soulevé aussi, beaucoup d'auditeurs aujourd'hui, malheureusement, préfèrent plus être cantonnés sur les réseaux sociaux plutôt que la, la radio. Et là, c'est un défi que nous, nous essayons de relever. Euh, on a actuellement sur plusieurs projets pour voir pourquoi ne pas tendre vers le numérique, pour essayer de sensibiliser les populations, parce que vous savez aujourd'hui, euh, certaines populations trouvent que euh, la radio est dépassée. Moi, je trouve pas qu'elle est dépassée. Avant, pour avoir une information, quand vous avez un poste radio, c'était quelque chose de merveilleux, parce que quand l'information venait, on ne pouvait pas manipuler l'information. Aujourd'hui, vous voyez que la radio, le son, il est, il est brut, il est perceptible. Quand vous donnez une information, on sait que la personne qui est en train de le donner sait qu'il a été vérifié et qu'il ne va pas le balancer. Il y a eu des exemples, il y a eu des radios qui ont euh, envenimé certaines situations, dans la radio Mille Collines que tout le monde connaît. Euh, malheureusement, on arrive à la situation qu'il fallait, mais depuis lors, les gens ont pris le garde-fou pour que ça n'arrive pas à ça mais la radio aussi elle est importante parce que c'est un outil qui est très important pour euh, la promotion, euh, la démocratie aussi. C'est tout ça. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui que quand la radio donne des informations aussi, ça permet aux citoyens de savoir, de connaître ses droits, euh, ses devoirs, et puis à quoi, comment réagir et comment contribuer aussi dans cette société. alors vos chers confrères, je sais que vous êtes aussi journaliste. dites-moi, émission Fono Aranga animée, Walmo, Nabag Noé Noarangati. madala ai ga no labari ai ga sigiri ya mota kan gati emission to har sintina dai a manci kala radio wo hankona dinala sabo a wasan da har sintinai kan yan sintin gate labar fondo no yan an dunyara to wadin bande hankona labare kan yan irgatonin da da sigire kan yan aiwai bin wai radio zene su a gona afo hankanga al'umma nan kan kino irwana radiya sauto goto hankan hima da imsalin al'umma wana ba funa bu. to zawat fono akan gogoyo te goibo ne da yayi waima mana sintin kala ansar gira zambar hinkan da igu radio libtako fm tera oditere de hunkuna irga hingila sabakan hunkuna zabiyan noti hankan ne zabiyan womo te inga gati zabanin labarin fonda ta jo kan fata kan gati numerico interneto inga no nan hankuna hankan gaci radiyo bon hangan kai kan gati auditere izabu zama hankuna labarin bo biyan gona kan wato kadda a radiyo nin mare hankuna bora ga yin giduwa internet amma wodin mu wankan irga babu rai mai bai e mai bai kan internet ta bon hani yan gona kan labari yan gona kan imani ko kwasu ga hanse imani la sabiyan te ibon chimo de tangaro faige ga kacera ga dogi internet to bon ya dinga na fi bambata no bore sai imaradiye wani labari hangan zama labari no kan tangar si ira labar tabatantiyan no Aïssa Bougoumou. Monsieur Touré, ma seconde question est est-ce que les contenus que la radio vous propose vous aident dans votre quotidien et surtout dans votre prise de, de décision euh, Je vais rebondir sur euh, ce qu'a dit les deux intervenants qui sont plus des producteurs de contenu de la radio, je vais leur donner peut-être l'avis d'un auditeur parce que je suis vraiment nostalgique de la période 2000-2005 euh, où les radios étaient réellement euh, dynamiques. Euh, je me rappelle en ce temps-là, il n'y avait pas encore cette possibilité d'avoir un téléphone mobile, tout ça là. On se retrouvait à aller dans les télécentres pour pouvoir appeler, participer à des émissions parce que c'était consistant. Mais malheureusement, euh, depuis l'avènement du boom de l'Internet dans nos pays, le contenu se fait désirer. Il n'y a plus de contenu de qualité. Il faut essayer de, l'adapter aux besoins d'aujourd'hui. Je me dis que peut-être à un moment donné, les acteurs de la radio ont peut-être baissé le bras aussi pour dire que le numérique a, tout pris et tout. Parce qu'aujourd'hui, moi, il n'y a que les flash infos que je peux suivre euh, à la radio. Voilà ce que je peux dire comme réponse à votre question. Alors, vous qui êtes à ma gauche, euh, dites-moi, est-ce que euh, le contenu que vous propose la radio, vous êtes dans votre quotidien et surtout dans votre prise de décision Bon, moi, j'écoute la radio en fonction de mes angles de position. J'ai, euh, je ne suis pas trop attaché à une seule radio. J'écoute certaines émissions que je pense utiles pour moi. Exemple, je suis un fan du football. J'écoute des émissions sur le foot ou bien sur le développement comment cette émission et plein d'autres. Moi, j'écoute en fonction des émissions. Je ne suis pas tout le gris de programme d'une seule radio. J'écoute en fonction de mes, intérêts. Et vous alors, êtes-vous satisfait des contenus que vous propose la radio <laughs> Bon, les radios, en tout cas, ils nous proposent des émissions qui parfois nous aident toutefois à prospérer dans nos objectifs ou bien vouloir. Quoi à travers d'informations, sensibilisation, formation ou des appels avoir pas mal d'activités. Alors, euh, à cela, euh, nous allons partir euh, sur la question, à savoir quel est l'avenir de la radio à l'ère des nouvelles technologies. Abibou Issa, le directeur de la radio nationale du Niger, Voix du Sahel, il était au micro du studio Kalangu, Irma Hanganase. On a facilité plutôt avec le numérique aujourd'hui le travail de la radio. Non, vraiment, c'est le moyen le plus accessible et c'est avec le matériel le plus performant aujourd'hui qu'on travaille. Il y a plutôt un engouement. La radio a été toujours un média qui a toujours conquis les cœurs et il continue à conquérir les cœurs. C'est une question de culture. La radio est accessible partout. La radio est facile à transporter. La radio est facile à écouter par rapport aux autres médias. C'est pour dire que la radio est devenue vraiment l'ami commun. C'est un membre de la famille de chaque communauté. Hein, je vais d'abord euh, la poser à nos confrères, vous qui travaillez dans le monde du journalisme. Que pensez-vous de ce que vous venez d'écouter, le son du directeur ben, Je pense qu'il a donné certains éléments euh, comme quoi il est accessible et performant et qu'il est euh, accessible un peu partout. Bon, maintenant, vous savez, aujourd'hui, c'est que nous sommes tous d'accord que l'avenir de la radio est un peu remis en cause parce que euh, beaucoup de personnes euh, ne prêtent pas attention à ce média. Moi, je n'ai pas mené d'enquête précise, mais j'ai eu à réaliser quelques reportages et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est plus les anciens, les aînés qui sont plus accrochés à leur poste euh, radio plutôt que les jeunes. Parce que pour eux, l'information, il faut toujours l'écouter. Ça doit être d'abord perçu par la radio avant d'arriver à la télé ou aux réseaux sociaux. Alors notre confrère de Goudelvou qui est à côté est aussi plus ancien dans le métier de la radio. Est-ce que vous êtes du même avis ou bien vous avez quelque chose à, à ajouter Il faut nous tarandion sanobo. Eh sanobo bonde hankangati radio do hare. Hakika radio do Parmi yente, Zama dire wato jine kan yan igo koy gisane samun daga ka duhon kun wankan dumano radio go tere go no go goida imanta afu. goi kan wato dum buraga ta girbin hinza am duga banandi hunkuna air er fallon wasa agogo yodin ta aga bananda agte temo goi hanno kan hangan yanga kan to radiye dai hunkuna dinda la sabiyante da bayan niga ka gagar kan matkan kino an ke da tije albere da kaba wayinga ino ga hangana radiye sai ga bisa furtage agita ma kan hunkuna radio kulkan gonda lokaci kan kadaino musamman furtage sai kan hankan ga furta ge guna hankan furta ge ga ba sande kan go iga marki ga ti ba funa mte ba fune hanno marki ga te gudu jin koyen furta ge duwo bore in sigir ka kan abonde ne selen egta ma furta ji bo biyon gon kan sinan amabisin ngai ga oh. alors euh, Hamidou tu es étudiant Oui, je suis étudiant à l'IFTIC. Radia ifo na kandense niga hanga no nim dugdi matano gogo ce da halnu a to niga wal matano. Bon, sintina dai kai sintin ai mu koy fitikin bo radio hangani yanno nan ai koy fitik ko zama avant dai le levier 6 h 7 h ai garago hangana radio information de première heure donc wodi no ne pousser pour kem koy mais songo ay go hangano ay mudu abon bere ko dange mudu abon bere zama ne di go goyo gano il fu wodi sene ga hangan ko Issa aussi, tu es avec nous Oui, je suis là. Étant <coughs> surtout euh, président de l'association des jeunes diplomates et politologues, en quoi la radio vous est utile, euh, surtout dans votre domaine euh, D'abord, il faut comprendre que la radio est aujourd'hui perçue comme une solution contre la désinformation. Parce que dans le passé, quand on fait un débat, quand on veut confirmer une vérité, on dit non, c'est passé de la radio. C'est passé de la radio, ça veut dire que c'est vrai. Donc on ne cherche même pas à savoir si c'est vrai ou faux, mais du fait que c'est passé de la radio et on a confiance, ça veut dire que là, il n'y a même pas de débat. On croit, on accepte l'information qui passe. Exactement, et cette confiance, c'est ce qui fait le, sujet de notre débat, Inch'Allah. Et eh, vous, Mokhtar aran radio ado euh, jeunesse de gudel aran goidini meriko aran goyora walmo matakan cine bogai radi abai zagayen dai gudel yadi no halka son aran eh madalla inda bar mai yanda sanda markanki ne a bayakin kai ne nake ti imite sigiri yankan ga na gana ga doga hangan ya dimu wani hunkuna irhima ga baino irma bai doti ge manno igo furta ge manno igo wai borai manno igo borkunan kan agonim ko karga ke kinodin gano bora giddi ni goyo kan go te gana ga hangan se la sabai din yara irwo hunkun zane su gudal inna barmayan hannadan zamir gono go goidin ni meriko a fo dai irsigire kulu markir gita radia bo en direct yadino irge samba e réseau associé e bo yadimo mono émission follon kedin an no igita an direct watu kulu wodi na hon kun bumbo dirgo na irwon page facebook ko bo furte je kanye irgo do nodin radia bon kenen zango bo studio kenen hinka an direct zama furte je kulu manno igo ikul si de kala whatsapp facebook ko bo isi yara diya do hare do tije mo gwara diya do hare ya dinga gitam hakan hunkuni ihin ka kulno irhi ma ga sambu kyar ko goida kulirga al'umma kul ku bendi radiye do hare do rezo so do hare irin sigire mo feno harga furteje mo gono oh. Aïssa Mokhtar, avant de poursuivre ce débat, je vous propose euh, d'écouter euh, Mr. Dondi avec euh, sa rubrique L'artiste s'exprime. Le monde est à toi, Dieu. L'Afrique, c'est mon continent. Le Niger, c'est mon pays. Je te laisse jamais souffrir mon sang. Hey, Nigérienne, Nigérien, mes chers concitoyens. Maliaro.

Hmm. so so irgin sambu misali ga donai afo afo parce que émission wo ne hin kanta wo ne doni kande te kayen ne marqué hmm. inga sendir baram kande hmm. so ram sambu donai kara ne marqué sintina wana kan ma yo katara yi fono so la yi so la ay godin bayo fa ngano ni nga kare se ken ngano nin kataro la fogon kan katare no so la yi dekte wanko agence promotion harese Harrison Katara. Harrison. Somebody says internet. Agence promotion. Wanko agence promotion Harrison. sumaltili andu nyonga basuru. <laughs> malero Andu do sura isola morso funon kan te funa amora. kan te sizirga o del kan de kayn kan amir gi dis album ker sin kan bismillah rabbana atina arhamani rabbana koyonga fol <laughs> il me patte le garçon ɗum fono gon kan kondine maliyaro nimmo bo dumbo a gani bi naadi nijar kabaranda turiya ɓeriya i kandi bosu kul ura Ok. okay. Parce fonego ɓe parce que bi ay go vieux farka concert oɗo vieux farka touré ne nin son foté kango a kananga jusqu'à ce qu'en songo reprendre chanson fono vieux farka reprendre farka vieux et a de ti na inda bumbono ah. parce que han fono go états unis ay go ba Je mota bandara irgo gnaru koy karolin haradi mm. donc

hali farka ture izono ayi donc no di ayi wo ayi ma ma mursa kala états-unis no ayi mara donc après ane che ne c'est que vraiment go ay fanu no to kala dono ngi bai mat kalin na internet to ay ngora ay ngora mal yaro irin ba bombo mare kan goni de parcours kandete te son kwaro furu car furu ni ziyara misali ga concert kan ko gono nimir no de de dan di fo bon de de dai afriko de aigne de Afrique a ina bayon kute ah. france paris jusqu'à emmener de six fois mhm. six fois mhm. états-unis bon d'abord go bruxelles bruxelles yo ni narun ko hollande yo koy eh, allemagne mm. wodi wo c'est. ah Maliaro. Ine de chabion to sukutuka ade aban que hunkun na gondi ce yan kan ga tonan di misali ga na fane ga bore ka dini se bore kan yan halga kaso gonu bande kan na kul kan ba koy donc ce yan kan ay te ir fane ga nirgo zama irin bar kuna indi don di go gor salon wora ga ga aran no parce que aran no wat kul kan iga kaga tumo i wani albarka kan irgo gi no dirjin dai wo kan returo kan igo gir no nguno irgo ga irwon famiye cilinda nguno irgo gir wonu vit da donc ya dinga ir fanedin ngai dekti irun kuna zama ngai nguno go gir ziyar go koy kulkan cin irgo koy kulkan ir koy singi ikaga hanganyirse se igin no albarka ir koy albarka dangiga machine Yaro finish. Hey. Je rappelle que nous sommes sur à la fada et aujourd'hui, Irman à Exikala Fouyan au studio Kalangu pour euh, cette émission et toujours sur la question à l'ère euh, des nouvelles technologies, quelle place occupe la radio dans la vie des jeunes au Niger. Et euh, pour recevoir euh, nos contenus, n'oubliez pas, vous pouvez envoyer jeune, toujours 80 06 88 54. Alors je lance ma seconde question. Aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux ont remplacé la radio dans votre vie de tous les jours Si oui, pourquoi Sinon, expliquez-nous les avantages que vous avez avec la radio plutôt qu'avec euh, le numérique. Je commence avec Touré. Les réseaux sociaux occupent peut-être à une bonne partie de notre temps, mais ne remplace pas la radio. Ce que les réseaux sociaux ont apporté, c'est ce que la radio nous offrait depuis tout le temps. C'était cette autonomie-là cette liberté de se sentir libre, de s'exprimer ou bien de recevoir du contenu sans filtre. C'est ça que les réseaux sociaux ont amené. Mais à la différence de la radio, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas de garde-fou. Alors que de l'autre côté de la radio, il y a vraiment tout un mécanisme pour filtrer cette liberté-là et la rendre consommable de façon potable au consommateur final. Sinon, la radio a été historiquement euh, cet organe-là qui, dès qu'on pense à ça, on pense liberté. J'allais dire l'appel du général Degord depuis Londres, ça a été utilisé, euh, ça a été diffusé par le canal de la radio. Donc, la radio a cette particularité-là. Tout à l'heure, le directeur de l'ORTN le disait, c'est carrément un membre de la famille. Donc, on lui fait confiance. Alors, euh, avant de continuer à présent, Irhan Genke, je vous propose d'écouter la question que vous, vous avez posée à nos invités avant de continuer. Eh, radio a sikal muna da mi zai i wani choraino buren gona kan isin da chorku kan radio daru zama iso fun gami mi ka gor ga radio hangan din gami ka gor burai nan burai gamara i gono burfo hamwa yani ga radio burfaji karibero dai no matsayin radio ai shine tamkar fitila a wurin al'umma saboda a radio ne walakila koda kana ga kwance ko cikin dare ko a wani lokaci kana ji yana cakamu min radio saboda radio ne kawai zai iya baka labari kamar da na faɗi baya lokacin da kake so ba kamar yadda zan iya kwatanta talabijin ba ko a balaguro kake kana iya sauraron radio ko a salulanka ko a radio a hannu da dai sauransu da aka radio yana da muhimmanci a cikin al'umma de la place hein, de la radio dans la vie des gens moi je dirais que les gens qui écoutent la radio sont minimes hein. y a pas c'est pas comme avant c'est pas comme avant parce que vous n'êtes pas sur le savoir que aujourd'hui euh, la radio est, est moins écoutée euh, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je, pense que euh, aujourd'hui, vraiment, on peut dire à 20% de la population nigérienne seulement qui écoute la radio. Alors, euh, je rappelle que nous sommes toujours au studio Kalangu. C'était le témoignage que vous venez d'écouter. Alors, je vais vous poser cette question, vous qui êtes le dernier à avoir intervenu. Est-ce que vous écoutez le studio Kalangu et comment appréciez-vous ces programmes en tout cas, j'écoute de temps en temps, bien sûr, euh, les programmes de l'estudio Kalangu à travers la radio, mais le plus souvent à travers leur page Facebook. Je suis pas mal de programmes liés aux différents reportages que vous faites sur les différents métiers des jeunes à travers les villes, à travers le Niger. Donc, euh, je suis aussi l'un des voilà, abonnés, donc je partage de temps en temps publication des studios Kalango à travers ma page aussi Facebook euh, que je possède aussi pour la commercialisation des produits de l'entreprise. Moi aussi. Oui. Aujourd'hui, quelles sont tes attentes euh, vis-à-vis des programmes radiophoniques en général et ceux du studio Kalango en particulier euh, Je pense que je vais parler sur des aspects. Mhm. Le premier aspect, c'est surtout les rôles de radio. Comprenez, aujourd'hui, les radios sont plus basées sur l'information alors que ça peut être aussi euh, des radios de solutions comprenez, les radios peuvent être aussi des vecteurs des idées, proposent des solutions face à certains phénomènes et tout. Donc, je pense que c'est très important que les radios aujourd'hui euh, va dans ce sens. Le deuxième aspect, par rapport euh, au rôle aussi des radios, d'essayer aussi d'intégrer la modernité en fait. Donc, il faudrait aujourd'hui que les radios aussi s'adaptent aux enjeux ou bien aux réalités du monde contemporain. Alors, euh, merci. Avant de continuer, on laisse Kader faire sa magie en nous proposant une très belle sonorité avant de continuer ce débat fils. Il n'y a d'handicap que dans la tête, fils. Dieu ne crée jamais un oiseau aveugle sans en avance lui montrer comment trouver sa pitance. Fils. Si des décombres de ton être, tu réussis à renaître de ta souffrance, fils, dis-toi que toi tu es un Enfin fils, si l'envie d'abandonner te tente, dis-toi que tu peux réveiller en toi la Yenenga qui dort, le Babemba qui dort, le Péanzé qui dort, le Samori qui dort, le Lumumba qui dort, le Mandela qui dort, réveille en toi le Sankara qui dort. studio Kalangu et cette fois-ci, je vais poser ma question à nos confrères. Premièrement, à vous, Sidiki Diara. Euh, que diriez-vous aux jeunes qui ne s'intéressent pas encore à la radio tout simplement de leur dire euh, de suivre ce, média qui a beaucoup à leur apporter. Parce qu'aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux ne donnent pas une information vérifiée à 99%. Parce que sur les réseaux sociaux, quand une information tombe, la première des choses, c'est qu'on a ce luxe de la prendre, il l'a diffusé. On ne cherche pas à savoir si elle est vérifiée ou pas. Alors que sur la radio, comme euh, l'a dit, vous, quand vous avez cette information, quelqu'un l'a eu, il dit, c'est passé à la radio. Donc ça veut dire que déjà un média a travaillé cette information, il a eu la recueillir, il a fait une analyse et il vous l'a rendue. Donc ça veut dire qu'il y a une crédibilité là-bas. Donc moi je pense qu'il faut beaucoup plus faire confiance aux médias, surtout à la radio,

in ma fu wane no in ma tare wane no in hinkanta a radiye no gino bon fere hannu kan gate ise nafa al'umma se nafa da labo kulu a radiye in gai mono gi ifaji ka matakan cinno igabada wadin sai ga yanto na nufurta yedo imisin ga lakalai hindi yeti gisan bugu koi labar fonda ta jobon kan gati internet ima ye da ga kai halga ka suhun aradi radiyai do hare da radiyai sigite sigiriyan no kango ko ise igondo fondo ima ka do wote sigiriyan kangir won bafuna guna kangir won bafuna hanse a ga berga sigire din yante ise im dogodo labar tabbatantiyan Alors, merci beaucoup euh, pour ta contribution. On va faire place à Monsieur Olivier pour euh, sa chronique du jour. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Chers amis de la FADA, très rarement je parle de moi. Et quand je parle de moi, je voudrais dire nous, nous ici au studio Kalangu. Notre objectif, c'est de vous donner la parole. Cependant, il nous arrive de prêter la parole et, parler de certains de nos chiffres. Les vidéos Facebook du studio Kalangu, bientôt des millions de vues. Oui, c'est la nouvelle que nous allons partager avec vous dans la chronique de ce soir. 1,2 million. C'est le nombre de personnes que le reportage vidéo du studio Kalangu sur la route Tawa Agadez a généré. Ces chiffres de vue Facebook ont retenu notre attention et bien évidemment, il y a deux ou trois leçons que nous voulons partager avec vous. Première leçon, le 21e siècle, c'est le siècle de la digitalisation. L'utilisation responsable des réseaux sociaux commence d'abord par des structures responsables. Le studio Kalangu l'a compris en diffusant ses contenus sur les trois réseaux sociaux les plus utilisés au Niger, Facebook, WhatsApp, Twitter. Deuxième leçon, la lutte contre la désinformation commence par la disponibilité des informations à travers ses journalistes professionnels et ses correspondants, le studio Kalangu traverse les huit régions du Niger pour vérifier les informations et apporter des versions officielles à certaines informations non sourcées qui circulent sur les réseaux sociaux. Troisième et dernière leçon, on peut bien évidemment faire le buzz sans parler de sexe, drogue ou insulter X ou Y on peut faire le buzz en travaillant avec des professionnels. Oui, on peut faire du buzz sur les réseaux sociaux en produisant des contenus qui mettent en lumière les réalités des populations. Comme l'a fait le studio Kalangu en parlant de la dépigmentation ou encore des calvaires sur les routes d'Agadez. Chers amis auditeurs et auditrices, à cette occasion de la journée mondiale de la radio placée sous le signe de la confiance, je voudrais conclure cette chronique en disant merci à nos auditeurs et auditrices qui nous font confiance en écoutant nos productions. Chers invités, merci pour votre confiance. Paix, lumière, amour sur vous. One big love. Bye bye. Alors euh, ici euh, pour enfin cette émission tous à la fada de ce dimanche euh, axée sur le thème des jeunes face au numérique et la radio. j'espère de tout cœur que cette émission vous a été bénéfique. Merci à nos invités qui ont répondu présent sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur. Merci et au revoir.